synthèse aujourd'hui, euh, à nos yeux, donc elle est plus qu'importante parce que permettant à nos élèves, nos candidats au bac, donc qui habitent dans cette commune, et même donc ceux qui n'habitent pas dans cette commune, euh, de découvrir d'autres professeurs, de découvrir d'autres visages, donc de sortir des classes et de pouvoir poser des questions à d'autres profs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et pour cela, donc notre structure appelée élèves, euh, je veux dire enseignants bénévocat de la commune, ensemble, avec l'amicale des élèves et étudiants de de où nous avons décidé de les accompagner. En faisant quoi En faisant des synthèses dans, des matières dominantes, comme la philo, comme les mathématiques, les PC, le français et l'histoire-géographie. L'amicale existe depuis 2006 et a toujours accompagné les élèves et les étudiants de Djidé Donc d'ailleurs, c'est dans cette perspective que euh, la municipalité euh, nous a contacté pour qu'on puisse travailler ensemble avec la coordination des enseignants euh, de Benoît Bokoyakar. Mais aussi, je ne peux, pas, ne pas signaler que euh, cette collaboration que nous faisons avec la coordination des enseignants de Benoît Bokoyakar n'a aucune coloration politique. Donc, on le fait dans le seul souci aider les étudiants, les élèves donc, qui préparent naturellement le, euh, leur bac. Donc c'est pourquoi euh, nous avons jugé euh, nécessaire donc, de venir sur la sollicitation du maire travailler ensemble donc avec la coordination des enseignants de Beno Bokoyakar. Mais aussi... Nous sommes là pour accompagner nos chers élèves de la terminale pour euh, la synthèse philosophique, euh, le mouvement en symbiose avec euh, l'association des élèves et étudiants de la commune de Djidetiarekau. Bon, je pense que cette synthèse nous a permis de réviser ou bien de savoir ou bien d'entamer les, domaines qu'on n'avait pas fait en classe. Parce que avec les grèves, là, nous nous sommes limités sur le domaine alors que ça nous a permis de réviser sur, sur d'autres domaines domaine. Et je pense que ça nous a permis de réviser en général toute la philosophie. Je viens de résumer le domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie. Alors, les seuls conseils qu'on puisse donner aux élèves, c'est qu'ils se concentrent davantage. Parce que je pense que le doigt l'a évoqué tout à l'heure, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes dans la dernière ligne droite. Parce que quand on, est à la fin de l'année, ce qu'on remarque chez les élèves, c'est qu'ils lâchent. Ce qu'on remarque chez les élèves, c'est qu'ils s'absentent beaucoup. Donc on essaie de les encourager davantage, on essaie de les inciter davantage à se mettre au travail, à y mettre le paquet, parce que aussi affronter, des, des de philosophie, ce n'est pas du tout facile. Seule la concentration, seule l'assiduité, la ponctualité permettront aux élèves de s'en sortir et la compréhension Nous, en tant que c'est une structure qui n'est pas longtemps, il y avait la structure des enseignants de la paire, mais euh, puisque dans cette commune, c'est le Benno qui a mis ici le maire, on a dit qu'on on ne peut pas assister qu'il y ait division des enseignants selon des partis politiques. J'ai décidé de les mettre ensemble pour l'intérêt de l'éducation et la formation dans cette commune. Et pour cela, nous travaillons en étroite collaboration d'abord avec les élèves et l'amicale des élèves étudiants de Djidé ensuite la mairie de Djidé surtout celui qui est chargé des questions euh, pédagogiques, éducation, formation, appelé le doyen Zaldialo, qui est d'ailleurs dans notre organisation. Un autre parti si un parti quelconque sollicite euh, euh, le, même travail, donc on va répondre favorablement. Donc pour dire que l'amical à la base euh, n'existe que pour aider les élèves et les étudiants de Djidda Bien sûr, parce que on est en, nous, sommes en réflexion pour pouvoir organiser d'autres journées de synthèse parce que les matières dominantes de la classe de terminale ne sont pas seulement la philosophie, mais plutôt pour les élèves littéraires, nous avons la philosophie, l'histoire, géographie et le français. Mais aussi, on pense organiser aussi d'autres journées de synthèse scientifique aussi. Bien sûr, nous comptons pérenniser cette activité. Parce que cette activité, je le répète, elle a été toujours organisée par l'amicale des élèves étudiants pendant tout le temps. Et nous, puisque nous venons d'arriver et que en les consultant, ils nous ont dit c'est ce qu'il faut faire, c'est par là où il faut passer. Donc nous n'avons pas hésité. Parce que pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. Quand on parle aux élèves, il faut passer par l'amical des élèves étudiants de la commune. C'est ce que nous avons fait et ça nous a valu une réussite et une fierté. Euh, même euh, l'amical ne compte pas s'arrêter à la synthèse de philosophie. Là, on va le suivre euh, chaque semaine, donc que ce soit les domaines littéraires, que aussi les domaines, les domaines scientifiques. Donc chaque semaine, donc en collaboration avec le président de la commission pédagogique, nous comptons donc accompagner les candidats de Didier de pour qu'ils puissent euh, décrocher leur premier diplôme universitaire. Décidément, normalement, il, faut, il faudra immortaliser, il faudra perpétuer ces genre d'événements parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser une synthèse dans l'année. Pourquoi pas ne pas renouveler cette, euh, cette, initiative chaque année pour permettre aux candidats qui sont dans la banlieue de comprendre les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique. Oui, je salue vraiment cette initiative et je demande qu'ils en fassent beaucoup pour les autres matières parce que... Euh, je pense que nous sommes aussi en retard sur les autres matières. ce qu'on a vu aujourd'hui, si cela se passe toujours, euh, nous, allons vraiment Oui, j'en profite pour remercier également ceux qui ont organisé cette belle initiative, parce que d'ores et déjà, Nelson Mandela disait, je cite, euh, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde, c'est-à-dire pour transformer les consciences. Donc, changer un monde ne signifie pas seulement bâtir des édifices et des bâtiments. Changer un monde également, c'est changer, c'est transformer les mentalités, c'est changer les consciences. Et la seule façon de changer les consciences, c'est de promouvoir, c'est de donner, en tout cas, c'est de promouvoir l'éducation. Promouvoir, promouvoir l'éducation également reviendrait à promouvoir ce qu'on appelle la philosophie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie, c'est cette discipline intellectuelle en tout cas qui fait peur à beaucoup d'élèves, qui fait peur à beaucoup de candidats qui ne comprennent pas. Parce qu'au bac également, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de candidats passent à côté à cause de la philosophie. Donc si l'amicale des élèves étudiants de Guinée, euh, de, organise cette initiative, je ne peux que m'en réjouir. Je, je, leur dis chapeau, en tout cas, je leur dois une fière chandelle. Que euh, le candidat, euh, c'est de dire que le bac d'abord ne s'obtient pas en classe de terminale. Le bac, il s'obtient en classe de seconde. Donc ça veut dire n'attendre pas la classe de terminale pour se donner à fond. On risque même d'être surmené. Donc l'objet, l'idéal, c'est de s'y mettre, donc d'assimiler le programme de la classe de seconde, de la classe de première. La terminale, ce n'est qu'une grosse révision. Mais puisque la philosophie, au lieu de commencer à l'enseigner depuis la seconde, la première et la terminale, donc euh, elle peut peut-être, elle est vaste, la philosophie elle est vaste. Mais quand même, qu'ils sachent que c'est pas des exercices qu'il faut, y, faut y parvenir. Donc le conseil que je les donne dans ces, euh, c'est de faire doucement, de ne pas laisser tout son temps où on doit s'exercer et d'aller assister tout le temps à des synthèses alors qu'il nous reste un mois des examens aux deux mois. C'est d'aller à deux pour découvrir ce qui se fait ailleurs en dehors de notre classe et ensuite de se consacrer, de prendre des notes dans ces deux parce que ça leur permet d'entendre d'autres collègues, d'autres professeurs sur des aspects peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre en classe. Juste cela, le fait de découvrir d'autres collègues qui enseignent la même matière. D'accord, nous sommes en fin d'année, c'est la raison pour laquelle nous, beaucoup de... Bon, nos pour nous vers euh, à organiser... Euh, ces genres de journée qui sont santé, Cela veut dire donc on essaie de réunir toutes les leçons. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose parce que les leçons sont pratiquement terminées. Donc c'est pourquoi nous organisons ces journées de santé pour que les élèves essayent de capter quelque chose. La première chose, c'est qu'ils se concentrent davantage. Primo, primo, ils doivent se concentrer davantage. Secondo, parce que je dis souvent à mes élèves, vous ne pouvez pas comprendre la philosophie si au préalable, ces deux conditions ne sont pas au rendez-vous, ces deux conditions ne sont pas respectées. La première condition est la suivante, c'est d'avoir des bagages intellectuels suffisants. Parce qu'on ne peut pas concevoir un élève qui choisit la série L ou bien L2 L, ou L' et qui n'a pas de bagages intellectuel suffisants Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'élève doit avoir une culture, c'est-à-dire une étincelle philosophique. Si ces deux conditions sont réunies, je pense que l'élève a de fortes chances pour affronter les épreuves de philosophie au, bac. Ah, maintenant, l'autre chose, c'est quoi C'est l'assiduité, je l'ai mentionné tout à l'heure. Parce qu'un travail, si un élève, un élève peut être bien, maintenant, s'il n'est pas assidu ni ponctuel au cours de philosophie, il ne peut pas passer à côté facilement. Parce qu'au l'essentiel c'est quoi C'est de décortiquer, de comprendre les notions. Une fois que les notions sont comprises dans le sujet, je pense que l'élève a de fortes chances de s'en sortir. Je pense que si on fait des recherches ou bien si on s'exerce, on ne va pas dire que cette matière est difficile. Parce que si on a tendance de faire des recherches ou bien parce que là on dit toujours que les mathématiques ou les autres matières sont difficiles alors que nous sommes nous élèves en classe de, de qui sont la des scientifique on voit que si on fait des recherches ou bien si on apprend seulement on en sort et je pense que c'est c'est aussi euh, le cas pour la philosophie. Il ne faut pas rester à la maison et dire que bon, c'est difficile, je ne vais pas m'exercer. Si on s'exerce seulement, ça va venir facilement. Pour plus de vidéos d'informations, Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tiaroy Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar ci chaîne YouTube bu Tiaroy Info TV nga daal di bëss li nga xamni cloche bi ngir mëna les notifications.